Fait important de la semaine, l'affrontement entre les étudiants de l'université de Zender et les forces de l'ordre mardi dernier. Bilan plusieurs étudiants arrêtés et cinq blessés, dont quatre filles. Pensant que les étudiants se préparaient à entamer une marche après avoir tenu un point de presse, les gardes nationaux dont la compagnie est stationnée à quelques centaines de mètres ont jeté des grenades lacrymogènes jusque dans l'enceinte du campus. Les étudiants ont alors repliqué en jetant des pierres. Plusieurs étudiants ont été arrêtés puis relâchés le lendemain. La convergence d'actions unitaires des syndicats de l'éducation du Niger cause Niger à observer une grève de 112 heures sur l'ensemble du pays du 26 au 28 octobre pour obtenir la satisfaction de ses revendications. Suite à ces débrayages, le gouvernement a assigné en justice cause Niger pour grève illégale mais a été débouté par la justice deux jours plus tard. La modification des lois électorales est l'objet de discussions au sein de la classe politique. Pour le secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique, Yahya Garba, il s'agit tout simplement de corriger certaines insuffisances de la loi. Selon Tahir Gimba de la coalition des partis dits non affiliés, la mise en place du comité chargé de réviser la loi aurait dû se faire de concert avec l'ensemble des forces vives de la nation. Situation sécuritaire à Issari, village situé à 70 km de la ville de Difa, une bagarre autour de la possession des terres a éclaté ce matin entre trois cultivateurs Toubou et autant de cultivateurs Kanori selon des sources locales. Bila est mort et deux blessés côté Kanori et deux blessés côté Toubou. En région toujours Agadez, des sources dignes de foi, l'ex-chef d'état-major du mouvement des Nigériens pour la la justice, Amoun Akalakwa a été attaqué hier par des individus armés non identifiés. Pour rappel, le MNJ est le dernier mouvement rebelle à avoir agi au Niger. Enfin, dernier sujet important de l'actualité de la semaine, l'annulation du concours de recrutement de 450 agents du ministère de l'économie et des finances et l'abrogation de l'admission de 9 agents du ministère du plan. Adou secrétaire général du ministère de la fonction publique, a réagi cette semaine pour affirmer que le concours avait été entaché d'irrégularité.